jure tupiri ke kami nyute paten sa libra Je m'appelle de Top. De Tantan, centre du Sénégal. Inch'Allah. Action. Ayo, c'est parti. xoolal bu buñ buñ buñ désorganisé ne la duñ ko gis. attendez dara xoolal xoolal Cheikhou. sëñ bi rek sëñ bi rek fallait que ñu def ndànk parce que buñ toppee rek dinañ mu caméra dinañ mu tontu. xool ñu mm-hmm. xool exactement nan la ñuy def. Ah. fii kii fan la war a taxawee kii fan la war a taxawee kii fan la war a xool.

279 69 936 1 Dá, OMK Dag Daarna gegaan om te zijn tussen hen. não nu wel het manier. Moet je wel zien. Je C'est quoi pour Il va falloir nous pour ah, Puisque tout venez bien de papier. Mm. Il va falloir nous dire exactement un papier. Mm. L'an mm, comme comme comme comme indication bu normal ñu me a nan la ñu leen le yeneen indice pour les bi. man faaw ma damay je que am na ñu ci def. ok. A. A idée D. A idée

10 euh, minutes maintenant, vous avez trouvé le premier indice. Moi bien il faut que vous preniez le temps d'étudier l'indice. AID, AID. AID. Est-ce que vous le ventilation yi voilà parce que tamit indice baa mais il va falloir ñu jéem exactement ban moo leen parce que les lettres les lettres si on est on aura DIA je je vous donne encore une information le mm. AID que vous voyez mm, mm, est l'expression d'une autre langue mais écrit en français d'accord il n'est pas une langue sénégalaise, une autre langue, mais écrite en français. Ça ben. renvoie à une fête qui existe. Quelles sont les plus grandes fêtes au Sénégal Les plus grandes fêtes La Tabaski. Tabaski. Comment on appelle la Tabaski Aïdel Si je ne me trompe pas. En arabe. Comment on l'écrit en français Aïdel Ah. Ah.

maanaam bu ñu ne maraakis ak ak ak ak maanaam korite maraakis dafa moo ko solo faa nga solo yar yi ay yére léegi n'est-ce pas dañuy vérifier lépp nga xam moom ngi maraakis si néeg bi moom mooy maraakis di ànd ak maraakis moom mooy ànd ak maraakis léegi da ngay xool ma maanaam jour tamit ki li ànd ak maraakis ay ñoom mbaxanaak ñoom teen ñoom ñoom yëre olof ak ñoom teen léegi yëre olof a ngi nii waaw xool bi vérifier indice bi ngeen di wër. mu ngi yéen. Euh, ah. L'indice que vous cherchez est entre vos mains. dàll bi fan laa la jëlee. yaa dàll yi benn lañ. Ah. léegi dàll fi la jëlé mo ngi mi lii marakis la mais li problème moy manam da ngaa war yéne olof moy ànd ak marakis. l'indice que vous cherchez est dans vos mains entre vos mains donc mënu leen dem seeti leneen parce que mi ngi c'est clair Mais comme vous mu ngi vous avez yiree moo donc cela veut dire que l'autre n'est pas loin d'ici. n'est pas loin d'ici. c'est pas loin d'ici. parce que c'est entre vos mains. qu'est-ce que vous avez entre vos mains. Quand il y a une lan. là. c'est entre vos mains l'indice est entre vos mains. non mais ngi mais li problème bi. indice par ni. Lui lii indice mais mais binduñ ci dara plus binduñ ci dara mais lui nag ngay décortiquer war a xam la ànd ak un problème L'indice que vous cherchez, je vous donne une autre indication pour vous aider, est dans l'objet qui est entre vos mains. L'indice que vous cherchez est dans l'objet que vous avez entre vos mains. Attention. <laughs> Monsieur, regarde. Oui, oui, oui, euh, Attends, voilà. Oui, voilà. Il est là. Vous ne te le gagnez mon... C'est Evet, gidiyorum. Senin er. Bir daha budur ya. Senin er. Senin erdi. Senin erdi. Ne var? Senin erdi. Senin erdi. 19 minutes. Il vous reste 11 minutes. 20 minutes. Je vous donne une petite indication. Mm-hmm. L'indice vous avez trouvé, vous lisez ça au second sens. Ce n'est pas au premier sens. Vous lisez ça au second sens. C'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Vous lisez l'anus au second sens. Ok. Lisez l'anus au second sens. C'est pourquoi on a mis deuxième degré. C'est-à-dire vous lisez ça au deuxième degré. mais premièrement R l'indépendance, c'est cellule. Hmm. lañ c'est cellule. c'est cellule. cellule. Oui, c'est une rature. cellule. c'est cellule. R. Cellule R. Vous lisez ça au deuxième degré. On peut dire au sens figuré en quelque sorte. Sens figuré. Quand même, vous compliqué. Cellule En tout cas, vous compliqué, hein. Maintenant. Vous avez 22 minutes passées, il vous reste 8 minutes. <laughs> Et vous risquez de ne pas endogouer. C'est lui. Vous regardez C'est pas ça. Il vous reste 5 minutes. Il vous reste 5 minutes, moins de 5 minutes d'ailleurs. Oui. Il vous reste 4 minutes. Oui, bien. Oui, je vais dégourdir. Les rouges, les renvoyer. Moi, non, mbind mi rouge mbind mi rouge la wala. waaw ah, ah, bi rouge. kon léegi bi rouge. bi rouge yi nga fekk. lu mu fi ñu ñàkk mbir ñun ñàkk nañ. Le nom que vous avez trouvé est l'inventeur d'un objet qui se trouve dans cette chambre. Crow. Crow, Crow. Crow, crow, crow. Non. Il vous reste 25 secondes. Attends, attends. 25 secondes. 20 secondes. Rapidement, Allez, allez, Il vous reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Désolé. fini. C'est fini non c'est fini. vraiment. c'est pourquoi on vous avait dit. non, de ne pas oh, chercher tout droit. mais de chercher. Oh. les les de, chercher ce que vous. <laughs> Vous avez trouvé. C'est dommage pour la chambre 25 du pavillon I. 25i. Vous n'avez jamais observé ça, ce chrome-là Non. Et vous êtes avec le ventilo tous les jours. Ouh. Ah neex na trop parce que boo xoolee début bi rek li ñu rek lu neex la quoi mooy le fait que ñu waxtaan def benn jeu tàccu. en tout cas man maa ko wàccee suñu cere la moom suñu cere la moom suñu cere la. ci ba wàññi def ci pot bee. <laughs> mais gis nga ko voilà yow dañu fekkoon ngay lekk cere. man dama ko yëkkati ba pare dem génn. ñëwaat pour de xool nag non lii ñun ñëpp laal nañ ko ñun ñëpp laal nañ ko. Hmm. ah la moo leen gën a neex si kii bi la moo leen gën a neex si kii bi yan moment moo leen gën a neex. non non euh, commencement bi moment bi ñu jëlee miracle quoi ah. bu nekkee ci miracle maraakis bi quoi di défati maraakis boobu boobu manqué nañu trop. fi muy waxee naan korité day ànd ak mbaxana. ay ay mbaxana déjà loolu. ay booy fi dana ko fi dana ko mbaxana. ay yére olof di xool jàllaat et tout ça. dama ne ko boo yoree maraakis yi dafa dem mooy yére olof. ay ay mbaxana yore la sax dem. effectivement ah, ah mais sa waay moom góorgóorlu na de. waaw bien sûr non non ñaari yambar yi ñaari yambar yi ñoo deful dara ñaari yambar yi ñoo gisul dara. d'accord man fi ma fi ma fi fi ma sentir ne jeu bi foofu la gën a métti mooy fi ngay wax que ne indice euh, euh, bi ngeen yor si la indice bi leen di guider nekk foofu aussi xaw na xaw na métti trop tax. non émission bi moom wax dëgg yàlla émission bu neex la quoi. maanaam c'est la première fois ma doon ko def. mais nag wax dëgg yàlla danay jàngal lu bëri nag parce que day tax maanaam nga am nga am benn réflexion bi di xalaat quoi. donc di rafetlu émission bi di leen wax ne rek ngeen gën ko continuer par rapport ak suñu yeneen yi. Hmm. gën leen Euh, poussé également ñuy def recherche. Mm-hmm. ñuy wër parce que lii nii peut-être ñàkk gëstu da ciy am benn instant. Mm-hmm. que tey man nga dëkk ak benn objet ci néeg bi war nga jéem a ko xam exactement kan moo ko créé wala lii qu'est-ce que ça signifie. Mm-hmm. nga gis luñ bind ci néeg bi nga xool ko mais jéemoo cherché li la signifie. te pourtant ëllëg mën na la mën na la baare euh, ci nga waroon a réussir wala leneen ak leneen. comme li ñu dal tey jii. ça vous apprend à li ñuy kii dañoo yàkkamti. Euh, pour lii ba nga mën a trouver affaire yi. foog nga xaw a posé xam dina day laaj intelligence. maanaam man avant may jouer sax amoon naa benn benn xawoon naa benn problème tuuti mais newul woon lii moom moo taxoon waaw benn problème bu mu amoon ak benn xaw benn copain la mais fàtte naa ko sax fàtte naa ko instant bii nii maa ngi soulagé nii di jalane nii. <laughs>